Euh, mbokk yi euh, ñoo ngi leen di nuyu di kontaan nous su di émission euh, Tam Tam alors c'est vrai que Saint-Valentin bi démb la woon te fête nañ ko na mu encore une fois nous remercier le couple Faye tonton Mambiram et ak tata Fatou Gueye di rappeler encore une fois que c'était tellement beau 40 ans de mariage ça se fête et nous avons ak ñoom fête ko ci RTS2 en tout cas encore une fois bonne fête de Saint-Valentin à tout le monde mbokk Nous dañuy dooree saa su ne di ñaanal ñëpp salaam ñu ne jàmm ci la lépp xaj jàmm bi mbokk yi yal na yaatu ba dem ci ñi dend ak Sénégal waaye nag daal di wër àddina yépp ñu ngi nuy nag bépp sénégalais bu nga xamante ne bi yaa ngi vivre actuellement

daal di xam ne que ñun ñëpp ñoo bokk Sénégal ñun ñëpp ca yàlla la ñu jëm mbokk yi maa ngi leen di gërëm leen sant bu baax a baax ñu ñëw ak yéen nag ci éducation et civisme alors euh, dañuy kontaan saa su ne euh, di euh, ànd ak suñu xarit Elisabeth alors Elisabeth li ñu indil tey mbokk yi faaw saa su ne ñu koy baamtu di baamtuwaat di ko waxtaan ak sénégalais yi dañu ne éducation inclusive scolarisation xale yi nga xamante ne bi mbokk yi dañu nekk en situation de handicap wala ñi nga xamante ne bi dañu vulnérable dinañ ci ñëw dans quelques

Euh, ñoo ngi ko euh, duppee Adja Faye com comédienne waaye tamit euh, di actrice tibi biir loolu nag dañuy am contentement bu baax a de recevoir monsieur Robert Badji di chargé de programme bou, ANSEFA. mbokk yi du ma def rek dul dem régie dellu Alors ah, ça, c'est un acte mbokk yi dañuy content wax dëgg yàlla di fego ak suñu xarit Elisabeth alors Elisabeth euh, déjà le bleu j'adore alors c'est vrai que certainement hier yaa ngi nekkoon en rouge et noir ou le rouge et blanc mhm. alors euh, ñi ngi souhaité nag euh, bonne fête sa borom cœur. di ko nuyu bu baax a baax ca fa mu ne euh, dañuy kontaan di fego ak yow waaye la nga ñuy indil ci éducation et civisme mhm. dafay am solo lool parce que c'est très sensible ah, bu ñu waxee xale waaye nag xale bu nga xamante ne bi dafay dund ak benn handicap wala xale boo xamante ne bi am ay paramètres yu tax ou vulnérable nous sommes contents de sensibiliser les populations en tout cas c'est un grand plaisir à chaque fois de te recevoir. merci Yar, un plaisir partagé avons un plateau nous avons une joie de vivre Nous uh-huh. nuyu téléspectateurs merci tamit et euh, bonne fête également de Saint-Valentin di nuyu sama papa Lamine uh-huh ak euh, suñu actrice bi moy suñu invité tay euh, muy invité euh, Papa Lamine. Mhm. di nuyu tamit Robert Badji. Mhm. bi nga xamantene dafa nek ci kuréel bu ñuy en ONCFA wax nga ko mhm. sank euh mo ne day regrouper coalition éducation pour tous yi xalé yépp donc coalition africaine yi. ko ci dep nek membre ONCFA. ANCEFA rek li ko tax djuk moy éducation xalé yi. Mm-hmm. rawati na comme ni nga ko waxee xale yi nga xamanténi ni dañu àndax laaga wala dañu nek ci situation bo xamné tax ni. Mm-hmm. amuñu accès euh, droit à l'éducation bobu boobu may rafet lu jotay bi bu baax surtout tay thème bi ñi wax. sensibilité bi mais il faut que ñu wax ci. tout à fait ñoo ngi lay gërëm di la sant bu baaxa baax way nak dañuy kontaan saa su ne mbokk yi di feggoo ak euh, tonton Lamine Ndiaye alors c'est vrai que euh, ma ngi wax 40 ans de mariage xëy sax mom jot na koo romb waaye dañu koy ñaanal rek gudd fan ak wér tonton

parce que boo xasee ba nuyoo rek. ñi mhm. mel ni ñëpp mhm. nuyoo nañu. dëgg la te yow di nga koy defee. Mhm. dafa select. parce que di ngay dugg si rek. ne nga carrément lan nga. baat bi nga waxoon. ban baat la noonu. am na loo waxoon léegi. bi ngay yéeg. waaw. Euh, xam nga saa yoo yéeg ne nga bisimilah am ci loo ci teg. waaw fekk yoo del Malick doon la wax <laughs> nga ni ko lan la. nga ni ko artiste la. ah waaw waaw. ma ngoog. dëgg la artiste rek. ak nuyoo artiste. comportement wu artiste. bu ñu bu ci carré bi mu dugg ci inshallah jërëjëf tonton tontu lamine dañuy contane waaye nag di nuyu bu baax a baax Adja Faye di comédienne actrice ñoo ngi lay dalal jàmm bu baax a baax mm-hmm. ci plateau tam tam Euh, merci beaucoup man tamit maa ngi leen di nuyu bu baax ci dalal bi ngeen ma dalal. Mhm. Euh, di leen remercier aussi ci invitation bi. Mhm. xam naa ba ci kanam rek. très bien euh, xam naa timidité bi xëy na du ci kanamu caméra yi de. <laughs> non non non non <laughs> en tout cas ñoo ngi lay vraiment dalal bu baax a baax ci plateau Tam Tam waaye nag di remercier ci ñëw bi mu ñëw fii ci RTS 2 monsieur Robert Badji maa ngi koy wax sànq chargé de programme bu ANCEFA ñoo ngi lay nuyu di la dalal jàmm bu baax a baax ba noppi nag di nuyu képp ku nga xamante ne bi macha allah waa Casamance. France nga di seetaan RTS 2 parce que nak am nañ fa aussi RTS di nuyu suñu collègues yi nga xamante bi ñoo ngi fofu ci RTS Casamance. merci beaucoup Yakham. Mhm. di la remercier ci invitation bi tey. content mhm. euh, nek ci émission melni ni Tam Tam. Mhm. émission bo xamné ne lu muy yee nit ñi Sénégal bari na. merci euh, ba pare content euh, ci bok euh, plateau ak ay références melni tonton. Euh, Lamine euh, ay artistes yu mel ni Adja. Mhm. ak euh, sama naataango boo xam ne. Mhm. yàgg nañu liggéey. Mhm. xam naa ko bu baax Elisabeth di len remercier yéen té te nuyu tam téléspectateurs yi. te espérer dinañu mën partager vraiment ci thème bu ñu indi tay absolument di gëna léral comment ça se passe. très bien alors là, nuyu xuus moi moi j'aimerais aussi que nga nuyu en Joola <laughs> man nag expliquer len ne que thème bi ñu indi tay dafa am solo moy xalé yi nga xamante dañuy vivre avec un handicap. ah yaa xam. tey nag moom. Mhm. laaj nga ma loo xam ne moom dina ma xaw a jafe tuuti nag. dafa xaw a jafe waaw eh, d'accord waaw parce que nag nag laa ko mën a expliquer xëy na ndax joolaa laa gaa. Mhm. waaye euh, làkk bi ma bis bi ma nàmp maanaam. Mhm. Euh, làkk làkk du sud la sama yaay créole la ma làkkal. ay sa ñu dem ci créole bi man kay làkk bi nga nàmp laa bëggoon. xanaa <laughs> ah on a aussi noonu benn noonu fa laa was Uh, no bem uh, papia assim de educação inclusiva que são um tema que muito importante na educação euh, do Senegal uhum. Mm-hmm. uh, não cuida antu assim emissão acaba uhum. Mm-hmm. onde tem onde né tem informação euh, que importante para saber que que se que que essa educação inclusiva comment passé passé dans le Sénégal Très bien. Alors, euh, je suis très contente hein, tu indi créole parce qu'on sait qu'au niveau de la Casamance, nous avons des créole. Mm-hmm. Donc, le message est certainement très bien passé. Alors, nous avons éducation et civisme sans que nous Nous avons la scolarisation des enfants vivant avec un handicap ou tout simplement nous une situation de vulnérabilité. Nous avons Elisabeth Indil dans le école inclusive moy école bi nga xamantene da fay jël euh, xalé yi nga xamné dañuy wax né ils sont normaux ak xalé yi nga xamné dañu am handicap wa mën na nekk handicap euh, moteur comme mën na am nek euh, handicap mental donc dañ leen di jël ñu bokk ak yenen xalé yi ci même classe wa ñu bokk ben maître bu leen di jàngal donc lolu moy éducation inclusive lu mun a nekk la nak mais pour mu nek pour pour mu réussir il faut aussi tamit am aspect yo xamantene dañ koy jël en compte. il faut que waajuram yi préparer ko jàppale ko accepter ni xalé bi amna les mêmes droits que yenen xalé yi parce que si constitution bi comme nous ko waxé dañu wax ni xalé bu mu mun doon am nga àq ak yelleef ci ñu dalal la am nga war nga am accès à l'éducation légui parents yi bu ñu gëmee loolu préparer xalé bi ba nga xamantene mom dina japp ni war na mëna jang comme ñëpp.

parce que ku wax jang wax nga génn ci kër gi dem ci école. école bi aussi tamit il faut que ñu adapté ko ci besoin spécifique xale bi. am nañ ay xale yoo xam ne dañoo am trisomie 21 ñoom la ñuy woowee mongol da ngay dégg olof yi di ko waxee noonu ñoom ñoo am trisomie euh, trisomie 21 am ñoo xam ne dañu am ay autiste lañ am ñoo xam ne dañoo am handicap physique ça veut dire que des fois am na ñoom duñu mën a dox bu baax am na am nañ aussi ay xale yoo xam ne dañu juddu ak euh, benn cër boo xam ne manqué na ci ñoom donc ñom ñep ñu ci classe yi. war nañu préparer moromam yu fa nek ak enseignants ñu fa nek ba ñu mun accueillir xale bi accepter ko ba mu xamni mo ñep ñëpp il a les mêmes droits que les autres war nañ ko mettre au même niveau d'information que les autres. dañuy rencontrer plus de problèmes ak xalé yi nga xamni dañu am handicap mental nga xam xel bi mo mo mo am retard. mairie bi aussi envoyé nañu une aide. koo xam ne vraiment moom day jël xale yi bu ñu jàngalee xale yi ba pare moom moo leen di jël à l'écart pour suivre leen bu baax a baax jege leen parce que jege bi war xëy na ñun effectif classe bi moo ñuy xaw a baare ba duñ ko mën. defe naa Sénégal matul gu ñu xam ne ñu si siy góorlu am na ay école pilote lu mel ni ko si dem organisation société civile la bu am bu am taxawaay ci wàllu njàng public bi. ak ay ak ay side save ay yeneen organisation wane nañu yoon di wax ni c'est possible gi moo si war a jàpp parce que lu mel ni organisation société civile liñ ñu mën mooy wane rek exemple que ni lii c'est possible mais pour la généralisation il faut que nguur gi moo si dugal loxoom te dugal loxo bi il faut que day nécessité ñu changer programme éducation bi yépp pour mën a jël en compte xale yooyu nga xamante ne tamit mun naa wax ni pratiquement dañ leen dese en rade

vivant avec un handicap mhm. en situation de vulnérabilité en tout cas nous les remercier de euh, nous euh, mhm. sensibiliser nous accueillir et l'entourage en général c'est ça comme nous l'avons dit, il cinq écoles inclusives euh, dans le cadre de ces programmes nous état état ndax gis nañ ni ci école spécialisée yi lañ daan jël xale yi di leen fa yóbbu. oui oui c'est vrai ko si def ne déedéet. Mhm. loolu mun na nekk parce que gis nañ ko feneen. Mhm. ñu essayé ko am cinq écoles yi ci banlieue Dakar bi. d'accord bii nag euh, Géejawaay la woon. waaw bii Jarka Diagne la. ci ci Géejawaay. d'accord biñ ko defee comme ni ko Tafama waxee ci reportage bi c'était pour montrer à l'État que c'est possible. Mhm ba léegi xale yi ñi programme mais école bi mi école inclusive Les yi ngi fay continuer di nekk mhm. rek ñun liñ parce que ay programme la programme mhm. mais euh, il faut que mu ci mhm. daf amener Robert tuuti pour nous ñu parce que dañuy éducation inclusive éducation inclusive bu un concept novateur xamuñu exactement Robert lan dama bëgg nga ci nga wax éducation inclusive lu tax ñuy wax éducation inclusive

war nañu mën a boole war nañ ko mën a boole ci jàngale jooju yu mën a jox mhm. mais l' euh, idée mooy que ñoom ñëpp war nañu am possibilité opportunité ñu jàng mhm. état bi war na indi ay opportunité yoo mais li ci am solo mooy que jàng bi jàngale bi dafa mengo kunek sa soxla ndax kunek nekk jafe-jafe bi am mhm. bu lay tere jàng wala buy tax sa jàng am ay xaw am problem. dañ la war a sa jafe-jafe jox la linga nga

xalé yi am laago dañ leen war a jël en charge waruñu leen bàyyi waruñu leen beddi mhm. ñu créer ay centres spécialisés dugal leen mhm. mu am ay résultats waaye ba léegi dañu ne non non lii forme beddi la parce que ñu ngi jël ay xale yóbbu leen ci yeneen centre mhm. pour ñu daal di leen indi ci école yi waaye bi ñu leen indee ci école yi dañ leen dugal ci ay salles yoo xam ne classes yoo xam ne ñoom rek lañ ko réserver d'accord boobu mooy euh, aspect intégratrice bi ñoon bu ñu indi euh, euh, aspect intégrateur bi ñu indi ci éducation bi mm-hmm. mais nañ ne pour mu inclusion pour inclusion am deug deug il faut que ñoom ñëpp ñu nekk ci benn bërëb très bien ci benn classe bi alors laata may jox cadeau mm-hmm. gi Elisabeth mm-hmm. bëggoon naa parce que lolu tamit je pense que dafa laaj une certaine formation ci ñi nga xamantene bi ñoo leen di jangal et je pense que fofu war nañ fa taxaw tuuti waaw waaw dafa dëgg la parce que tey boo xoolee bu baax sax euh, Afrique problème bobu lañu am bo xolé bu baax euh dañu euh, question bu nit ñi di indi tay te bu bu wax tey ci élément bi moy que est-ce que paré nañu est-ce que war nañ ci dem parce que problème yi nga posé ni mom mhm. la nit ñi di posé. tay bo jëlé xalé yi leen ci saal est-ce que kat bi leen war a recevoir tey pare na pour jàngal leen. Mhm. est-ce que il est outillé pour jàngale loolu muy benn est-ce que aussi il prépare les élèves à les accueillir parce que mhm. différence buy am entre ñoom ak élèves yi. dina tax que ñu am ñu leen di caricaturer mais sax comme ni ñu waxee tam tout à l'heure est-ce que environnement bi sax scolaire bi école bi c'est propice pour donc mu nekk effectivement ay question yu valable yoo xam ne tey tax na nit ñi di poser la question est-ce que war nañ ci dem wala est-ce que war na am benn passage mais nag euh, spécialistes yi ne nañu war nañ ci dem parce que loo sóobul rek mhm. doo xam noo koy noo koy saafara foog nga sóobu ci important ci ci sóobu boobu la parce que comme ni ko waxé ya xam. Mhm. xalé buy Yéwo, Sénégal. Mhm. on doit respecter ce droit qui est le droit à l'éducation. c'est ça que je voulais dire droit état bi état bi mom moy responsable bi. Mhm. tay xalé bi nga xamante amul laago ni mu amé droit ba ñu jël ko jël koppar bu bari diko duggal ci école yi pour mu mun ko accueillir xalé bi nga xamante dafa laago même droit bobu la wara am organisation de la société civile yi wan nañu ne que c'est possible man na nek mën na mhm. nek mhm. am xalé yo yoo tay Saïd Sèye wax nañ ko duñu gis def nañ examen daw mhm. mën na nek légui question donc y en fait il y a des classes yo xamante bi des classes témoins comme comme comme les cinq classes yi nga xamante bi commencé nañ ko et je pense que avec les résultats qu'on a présentement je pense que l'État dina ci évidemment dugal loxo waaw légui rek dama bëggo ñëw ak Robert ci facteur d'exclusion yi mhm. tay lutax suñu système éducatif bi am mhm. mënul recevoir enfant handicapés yooyu mu ñëw ci différents paramètres yi nga xamante ni xëj na état bi su ci su ci indee ay ay ay djégo mhm. xalé yooyu tay dinañ mëna dem ci école yi ah. bon facteur yi déjà pour man man man damay dam leen di def ñoom ñëpp ci benn facteur bu may tuddee volonté man pour man loolu mooy li njëkk état bi foog mu am volonté dem def passage bi jógee ci ragal bi ñu ragal ñàkk xaalis bi ñu yaakaar ni moom lañu ñàkk xaalis ak lépp lépp lu ñuy yàgg ragal ba pare dugg ci soobu ci loolu mooy premier aspect. Ah, alors là laata ngay continuer mm-hmm. ma bëggoon am juste lu ma leeral tuuti parce que il faut dire que euh, éducation au Sénégal je pense que on a fait des pas. Mm-hmm. parce que on commence à scolariser beaucoup beaucoup d'enfants et je pense que cette étape de l'éducation inclusive aussi ay étape lay doon et je pense que ñi ngi ci ndortel bi alors il est important aussi comme ni ñu koy defee ni de sensibiliser pour que justement euh, ces ces classes yu nga xamantene dañ ci def éducation inclusive mu gëna a law waaw man damay damay d'accord ak li nga wax sax mhm. té pour man premier aspect sax sensibilisation bi ngay indi damay dem ci xaw waxtaane ak yéen ñii di journalistes yi ak animateurs yi parce que tay sénégalais yu bari xamuñu lu xew ci domaine boobu mhm bu ñu xamlee lu domaine ñu xew ci domaine bi quelque part pour man xëy na on en parle pas assez. Mhm. travail liggéey bu mel ni ko si def lu muy def ci biir dëkk bi. le wala ñeneen euh, acteur de la société civile ñu jéego yu ñu indi ci loolu il faut nit ñi xamal xamal nit ñi li xew. Mhm. parce que loolu lu muy indi nit ñi pousser parce que kii citoyenne moom mooy indi. Mhm. nit ñi pousser. Euh, l' état à intervenir mais aussi xëy na sax am na ay bonne volonté yoo xam ne. tey bu ñu xamoon lu xew ñoom dañuy pare jël ci seen xaalis jël ci seen volonté pour accompagner loolu. Mm-hmm. donc sensibilisation effectivement dafa di lu am solo. ci ci ci ci ci ci mbir boobu. Mm-hmm. vraiment alors léegi Elisabeth fan lañ fan lañ ci toll justement ci éducation inclusive. waaw fi ñu ci toll mooy am na ay jéego comme ni nga mm-hmm. ko waxee. il euh, y a dix ans de cela avant organisation de la société civile yi di jug pour wane ni que c'est possible. amuloon ay Talibou Dabo dañ fi amoon ay INEFJA dañuy jël comme li mu leen wax Berlin mais tey

duñu gis mhm. mais man école yi ma lay wax école yo xamné c'est des écoles normales xalé yi fa mhm. nek ay école normale lañu ñu jël xalé yi laago yi dugal leen ci biir classe bi mhm. euh, intégrer leen ci biir classe yi donc tay état bi am nañ division éducation inclusive ci biir ministère de l'éducation nationale lolu amuloon. ah ça c'est c'est un grand pas. voilà suñu nouvelle lettre de politique bi tamit duggal na ci affaire inclusion bi. mais ya xam ba tay des na te fi mu desee dama bëgg Robert ñëw ci moy dañ naan éducation inclusive dafa cher. c'est coûteux voilà peut-être pour compléter ça, li ngay wax ni tam tay amna ay euh, master tay comme euh, FASTEF mu ngi am ben partnership ak ki HI. Mhm. et humanité inclusion. Mhm. bo xamni ñu ngi développer ben master bo xamni pour former ay nit ci domaine bo. ah c'est génial voilà donc mu nek ci ay jéego yoo lu am solo yo xamni ñi war nañ ko yëg. te dina mhm. pour man dina yéssal sax dina tax lolu gëna donc maintenant pour revenir ci. Euh, coût yi nga doon wax. Mhm. xam nga nit ñu bëre dafa am déjà man lu may premier aspect mooy indi état bi boo gisee mu ragal ko dafa ne effectivement que euh, éducation bu bëri coût la. Mhm. mais balaa may répondre ci loolu. Mhm. damay indi anti antithèse bi. tey est-ce que mun nañu imaginer xale yi nekk ci mbedd bi jànguñu. defuñu li ñaata lay coûter état bi ci boppam. par exemple je lay jox jël exemple Bangladesh tey euh, am ñu il coûte à l'État pratiquement euh, une année de croissance mm-hmm. Mm-hmm. presque un milliard et quelques. Euh, mm-hmm. donc pour dire que l'État, état bi bu ci éducation inclusive jël ñooñu def leen conditions yoo xam xaalis boobu duñ ko perte et on aurait dépensé alors alors man fi may ñëw ak ak yéen justement Moi, que euh, je pense que depuis que le Sénégal euh, euh, nekk indépendance am tonton Lamine je pense qu'il y a eu des pas Mm-hmm. et que amna lu nga xamante bi je pense que il faut que nous nous nous nous nous dugg ci tagat ci sunu bop pour mun ko defar. Mm-hmm. alors comme il y a eu des pas yu nga xamante bi ñi ñu ngi ne léegi nag c'est vrai que tout le monde n'est pas scolarisé au Sénégal ça il faut le souligner aussi. Mm-hmm. il y a des pas il y a des choses qui ont été faites ça c'est clair et que maintenant nak légui nak ñi ngi jëm ci euh, xalé yi nga xamante bi dañuy dund ak ben handicap je pense que maintenant comment faire pour gëna a yaatal classe yo je pense que c'est ça qui est important. des pas ont été voilà c'est déjà c'est déjà fait maintenant nañu xol naka lañuy def pour gën ko yaatal et partout au Sénégal tonton mhm. Lamine waaw lolu man euh, xalaat bi ma ci am moy sociologiquement parlant mhm. ñu xam seen environnement lan la mhm. ñom seen biir parce que euh, dama ci am lu ma ci bindoon rek rapidement boobu temps handicap international moo ma contacté woon ma bind ci mais prétexte bi ma jëloon mooy xale yi yore beeki alors ñi ngi nekk primaire mais da doon foo ak ñenn yi xol ba jeex parce que ni ñu doon fooy ak moom la. mu jékki-jékki pour fayu mu jël bekk bi xaañ ko moroom ni mais mu indi fa histoire boo xam ne ci diggante ñi nga xam ñi ngi jàng te amuñu handicap. ak ki nga xam ne nii handicap la kii. ba parents yi seen bopp demandé à ce que ñu génn ko ci école boobu dugal ko ci école publique bi. dugal ko ci yeneen école pour handicapé. Mm-hmm. donc loolu aussi dafa metti moi j'ai dit non on va pas continuer dans ce sens-là. Mhm. nañ ko bàyyi ci biir école nekk confrontation boobu mooy indi ñoom ñëpp ñu mën a nekk benn place. très bien alors Elisabeth on, on va terminer. te li ma inspiré li mu wax yaa xam handicap c'est le regard de l'autre. oui oui ça ça ça bi ñu demee Ndiakhate Diagne am na xale boo xamante ne dafa fooba te handicapé le mais. Mhm. mu daanu ma tëb. Mhm. beneen morom bi ne ko ne ma tataa kii ko parce que dem nañ ba fàtte ni. Mhm. xale bi amna sax lago ah ça c'est très bien dem na ba xamna benen euh, beneen sensibilisation bi ñuy def moy au sein des écoles mhm. Mhm. parce que je me rappelle COSYDEP bi mi commencé programme bi dañ don dem ci kër yi parce que problème mu donné tamit xale yi ñaata lañu ak fan lañ nek dañ don dem ci kër yi di sensibiliser recensement mais euh, yaay dañ don neub xale yi seen biir kër soo ñëwee laajte ndax am na fii am na laago ñu ne parce que comme li muy wax sociologiquement dañu mhm. jàppoon ni y a un travail à faire Il y a un travail à faire dañu jàppoon ni soo amee xale bu doom bu laago soit malédiction la wala mhm. dara donc waroo ko génnee donc société civile bi loolu la fi nekkee un travail de sensibilisation de mhm. plaidoyer mais surtout un message à l'État très bien pour ñu financer euh, éducation inclusive parce que tous les enfants de ces pays ont droit à l'éducation. Alors, on va, on va terminer. Hein? On va terminer peut-être avec un message, euh, euh, Monsieur Badji. peut-être appel que je fais, ñaar appel lay parce qu'en tant que acteur de la société civile. Mhm. gis naa ni société civile bi mu ngi def ay effectivement ci ci éducation inclusive mais nag des fois day manque de coordination tout mhm, ndax da ngay gis acteurs ku nekk ñuy def presque la même chose que leneen keneen ki lu muy def. tey bu amoon benn cadre boo xam un peu plus euh, euh, coordonné. Mhm. dina tax intervention bi gën a coordonné ben muy benn ñaareel mooy que état bi tam pour man dafa war a yokk leadership. Mhm. ci domaine bi. parce que ñoom ñoo ko moom seen. et je pense que très mhm. sincèrement euh, tous ces projets là sont en cours. voilà donc voilà loolu nag bu amee vraiment je pense que dina dina améliorer vraiment.

ñoo ngi lay gërëm di la sant bu baax a baax waaye di remercier euh, mbokk yi monsieur euh, Robert euh, Badji di chargé de programme bu ONCEFA mbokk yi du ma def rek lu dul daal di xuus ci émission bi ñëw ak yéen ci li nga xamante ne bi moom mooy ijab du jour ànd ci ak suñu xarit mage magique ñu dem dellu si waat

Saint-Valentin <laughs> alors nous, il sera super. ah oui oui c'est clair c'est clair. ma mhm. avec plaisir mhm. mhm. et puis et puis Sénégal euh, euh, nous sommes ko beaucoup. exactement euh, chrétienne la musulman la musulman Robert certainement musulman nga ni ñu toogee di waxtaan nekk ci jàmm ñun loolu Sénégal et juste rappeler une chose c'est-à-dire mm-hmm. que les religieuses mais am et puis j'ai vu encore autre chose mm-hmm. quand nit ki ku mu munti doon boy dem mm-hmm. ci pap bi diko ko mais dafa am looy tek sa bop do demee sa bop nen ki ko mën don nak di jigéen voilà voilà ñew en fait c'est plus culturel Oui. C'est un signe de respect. Dans la religion chrétienne, c'est un signe de respect, d'humilité et de, et de, et de qui, chasteté. C'est tout lolu kese la. Mhm. man je suis d'accord hein, tant tonton Lamine. waaw muuraay bu rafet mais comme image yi la bëgg de. <laughs> yow kay yow biñ lay defal spécial la. Ah. parce que dëggoo ma ni rouge et noir. Mhm. Ah. waaw ko ko bolé sa teint mom ah, day def loolu olof yaa xam woole ya xam wool mage alors Fatou <laughs> euh, gis nga à chaque fois suñu sœur yi mhm. ni nga xamante ne bi ñoom la ñuy muuroo sànq koy wax gis nga li xew Sénégal Sénégal rek la xew motax à chaque fois je pense que ñun ñi nga xam ne dañu nekk ci télévision yi dañuy toujours di wax ak population yi parce que diam mhm. bi ñu am diam mhm. bi dañu bëgg diam bi di continuer di sax mhm. ñeneen ñi di toujours di jël exemple ci ñun vivre comme ça je pense que amul ci dëkk yëpp waaw euh, Sénégal la ñu wax. te bu ñu waxee Sénégal wax nañu chrétien wax musulman. wallaay donc ak ñeneen ñi fi nekk euh, waaw ak ñeneen ñeneen religion yi fi nekk sax mais dafa nekk ni ñaari religion yoyu mom mo gëna bëri ci biir. Euh, Sénégal. te kenn ku fi toog fii am nga ay mbokk chrétien bu baax am nga dëkkandoo. Mhm. Euh, munoo kon muuraay bi. comme ni mu wax légui rek mhm. dang koy gis ci sœur yi des fois dama naan sœur yi par exemple ñom ñoo nek Ibadu Rahman yi fi nga xamante ne ñoom ñooy c'est la même chose sen bop du feñ ñom mhm. amuñu droit sen bop feñ donc euh, mu ngi non dal muray mhm. bi mom c'est très joli xam naa man mom dina ko def ya ngi wacc <laughs> ma ngi wacc <laughs> alors Robert un mot par rapport ak euh, la façon dont euh, maintenant ñu bëri di di muuru religion bi laaj nako mais et surtout tout à l'heure je discutais avec une dame bu nek ministère des transports madame Seck nuyu madame euh, Diop vous étude aussi alors elle me disait au Sénégal le vendredi mais attends c'est coloré mm. alors la preuve monsieur Badji il y a des femmes fam la sol ah, ah ak tissu africain <laughs> ah oui ah ben ah oui kon ñoo bokk Sénégal ñoo bokk Sénégal waaw waaw loolu kay kenn waxatu ko mm-hmm. te man comme comme Elisabeth nu ko comme ni nga ko waxee pour mm-hmm. man sax hijab bi comme ni ko man man déjà je trouve que dafa rafet ah oui quand je vois une femme bu mm-hmm sell bi nek ci ginaaw mhm. rafetaay bi. Mhm. man déjà li ma damay d'accord. loolu muy aspect. Mhm. Euh, te un aspect bi tam mooy que c'est pas religieux comme ni ko c'est pas aussi religieux que les gens le pensent comme ils nu mu ko waxee même ñun suñu famille bu ñuy dem ci yenn bërëb yi. bu ñuy dem ci yenn bu ñuy dem cimetière bu ñuy dem ngay gis ñu yor donc mu nekk pour man. C'est ce que très bien quoique que ñun suñu religion nous sommes des de leen muuru bopp nen bi bëgguñu ko en tout cas mbokk yi dañuy euh, sant bu baax a baax suñu xarit euh, mage magique euh, moom itamit di ko nuyu di nuyu ñëpp ñu nga xamante ne dañuy jàpp ci saasu ne buy ñëw di muuru fii alors mbokk yi dañuy xuus nag ci émission bi yegg si ci ki nga xamante ne bi moom mooy tonton Lamine Ndiaye di invité du jour ma dem régie dellu si waat wala ma bàyyi ko tonton Lamine nga dem waaw d' accord ça dinañu permettre ñu ah. mën a xoolaale li muy def acca c'est parti alors c'est vrai que ça joue bien tantôt la mine, mais que que euh, théâtre chaque fois dañuy gis ne que yeete si boppam lay def. Mhm. alors je pense que je vais bàyyi présenter déjà nouveau euh, actrice comédienne bi. ba noppi nag ñëw ci liggéeyam. waaw euh, fi may njëkk rek mooy dañ naan yaay ja doom ja. deug la kéwal du tëb dom ja bët. voilà wala ñu né dom ja ndey ja. deug la ñaar yépp valable. baye ki ñu sétane légui mhm. mooy doomu Khady Sow. Ah. Khady Sow bi nekkoon jamono tay d'accord daan théâtre. mom mhm. bu mu fo joggé dafa ñu bokk ci ci Arcos. d'accord yaay yaayam def ma ko njëkk yebal man ko comme man mu troupe te fim mu nekk jamonoy tey tijjeeguñu. légui da ngay dem ci Arcos. d'accord parce que artistes yep ñu ngi regroupé ci Arcos. tout à fait mu dem fa xamanteeg ñoom. Mhm. xam naa ci lañ ko gis légui mu commencé di jouer. mais fay birum pene wagan dugu dugu wagan ah. wagan kuma sañan ah. fasanom lattir xangol nango euh, ko euh, ak gide ka yaxi jegana ko podom mhm. ku kuna podom salmono yaxum ah. wagan fay jeen fay lattir fay latsuk fay biram fay pendo coro fay salmon fay may na tonton Lamine am na benn 5000 bu ñu teg côté bee 5000 bu wàcc côté bee forol ma rek forol ma rek 5000 ak ci ci tagge ci tagge bi waaw waaw kay <laughs> très fii moom dama koy wonee ràññ ndax ñu bañ ci demee ci loxo ki ko gis nga waaw séeréer yi dañoo dañoo tabe waaw waaw dañoo tabe ah, <laughs> eh, gannaaw bii mhm. des na bosam waaw <laughs> des na bosu Pape des na bosu waaw waaw muy ñett yoo xam ne nii quinze mille lañ ko tuddee noo day ñëw noo def xale bii ba quinze ak ñoom joué ak parce que xam naa Pape Faye bu baax xam naa joué de xamna ki nga doon jouer ñaareelu artiste bobu mhm. Cheikh Mbacke li nga def ba réussir rôle yoy da nga doon sa yaay wala théâtre nga doon wala lan. waaw avant tout maa ngi leen di remercier waat encore di leen waat vraiment mm. ci invitation bi parce que honneur la ci man tey ma ñëw RTS. c'est vrai oui parce que sama yaay jaar na fi. donc. Euh, bi ma fi duggee mënu ma wax sa joie bi ma am parce que dama kontaan trop parce que dama ko ko wax mu ne ma avant foofu lañ doon répété. donc ma kontaan tamit ci plateau bi ma partagé ak yow yaa xam parce que maa ngi lay suivre ci Facebook bi. Euh, ak invité yi yëpp ak tonton Lamine surtout. Ah, ah. parce que joué na ak sama yaay plateau. bokk nañ plateau ñoom ñaar. très bien euh, théâtre nag comme niñ koy waxee rek. Euh, mën nga koo nàmp mën nga ko donn mais kenn du ko donn parce que lu ñuy jàng la sa yaay tey mën na mën na nekk artiste mhm. nga màgg nekk docteur parce que tey doone sa sama papa la woon rek damay faj te jàngoo ko euh, jaar naa nag ci ay nit jaar naa ci tonton Tafa mhm. jaar naa ci euh, tonton Lamine mhm. jaar naa ci tonton Pape Faye comme ni ngeen ko gisee léegi am nañ lu ñu def ci man mais arko su Pikine mm-hmm. euh, suñu président Leyti Fall waaw waaw de passage mm-hmm. ñu ngi koy nuyu mm-hmm. euh, amuñu fayam parce que lu nekk si ñun rek moo ko def si ñun lu baax lu baax lépp lu nekk si ñun parce que bi ñuy démarrer comme ni nga ko gisee timide bi ak parce que moi je euh, si yooyu yëpp amoon na mais formation yi ñuy defal ak di ñu teg ci yoon bi di ñu wan nan la ak naka la mhm. day tax yow li nga amoon ci sa yaay mhm. dafay yomb pour mu génn parce que artist mhm. bu nekk am na luy nelaw ci yow dëgg la mais le fait nga dem ci moom walla nga jaar ci ay ñoo xamante ne ay bibliothèque lañ ñu mel ni tonton lamin mi ak tonton Pape nga xam ne ay référence lañ ay tonton Tafa ñooñu rek leçon la. très bien ma jaar fa nag def ay formation yu bëree bëri. Mhm. ba yàlla dogal tey may bokk ak ñoom tey ay téléfilm. Mhm. ak yeneen yi nga xamante ne ñu ngi koy joué mais génnagul. xam naa bientôt dina dina génn. très bien alors damay euh, euh, jaaree ci loolu rek di féliciter waa Arcos yëpp. Mhm. rawatina waa Arcos banlieue. alors dañuy wax banlieue mais en tout cas ñun RTS2 bi ñu ne encore plus proche de vous. dañuy gis ne que bon lieu la.

alors man mhm. li ma laaj. Euh, mhm. question bu ñaareel bi xam nga li nga doon def yombul gis nañ la fi ngay jooyee. Mhm. naka nga xëccee jooy boobu ci yow. bu hmm. jooy bi génn. waaw euh, man nag avant peut-être atelier yi ñuy def. dugg ci personnage génnaat. daf ma jàppale mais man dama nekk nit koo xam ne dama gaaw a jooy. ah bon oui parce que man bëgguma gis sax nit kuy souffrir wala histoire boo xamante ne dafa dafa dafa touché nit rek. on est sa damay damay gaaw a jooy mënuma ko gis. Mhm. donc te personnage aussi bu ñu la ko joxee scénario bi nga liir ko di nga xam fan nga war a jooyee ak foo warul jooyee ak parce que loolu yëpp danga nga koy jàng aussi. Mhm. donc daf lay yombalal tamit. Euh, nga commencé jooy après nga mën ko arrêté aussi. après parce que comédienne mën na jooy léegi reetaan léegi. ça dépend ci euh, émotion yi ni nga recevoir. parce que ay émotion donc koy travailler. pour nga mën a def sa liggéey. d'accord gis nga li muy wax ni yaa li muy wax nii lu am solo la. Mhm. Euh, ça part du sentiment pour nga am émotion boobu. Euh, te it ci kanam gi lañ ko war a gisee loolu différence bi am ci comédien ak acteur. c'est très important voilà c'est très important mhm. yow nag da nga jaar ci comédienne ñeu mujj ci acteur bi léegi euh, bañ jafé jafe nga ci gis si ñaar yooyu parce que bokku ju ba légui am na wuute way way am na wuute parce que bu féké comédienne bi la sur scène ngay jouer mhm. tout à fait euh, té sur scène mo gëna metti sax acteur bi parce que sur scène euh amoo droit def erreur mhm. Mhm. bu ñu xassé né action rek bala ñuy bo défé erreur sax duñu couper mais bële am na couper am na action am na kii donc bokkul daal. Mhm. xawoon na am jafe-jafe tuuti mais ak li ma wax sànq rek euh, suñu président Leyti. Mhm. daf ñu dimbali si loolu yëpp. Mhm. defal ñu différencier ñu. acteur bi naka la wara jouer ak comédien bi naka la wara jouer mhm. parce que boy jouer spectacle sur scène du bokk ak boy def téléfilm wala feuilleton mhm. amna différence mais nak lepp rek ci bir li ñi jàngal rek mom mhm. la ñi tari très bien alors euh, tonton Lamine man euh, vraiment acteur sénégalais, Sénégal yi di dama leen di féliciter bu baax baax baax parce que sank ñi ngi wax aussi affaire ñit yu dund ak handicap amna ben série bo xamante bi dama gis ko xamante bi mais honnêtement dama défé woon sérieusement mom moom dafa nekk koo xamante ne dafa handicapé. Mhm. et c'est après qu'on m'a dit que non. je sais mhm. plus naka la tudd euh, te te mu def ni loxo bi nii. xaw ma naka la tudd comédien la dal bah, mais waaw. waaw mhm. je l'ai vu te te xaw voilà ah. mooy que dal ah. acteur yi dal vraiment tu tu fu ne la ñu mën a la ñu mënee. mais boo seetloo aussi Tafa ah, Diop ah vieux euh, Sabasi nee un vieux. vieux waaw voilà. Euh, boo seetloo Tafa Diop aussi tamit. bi nekkoon Daaray la lapis la pax je me rappelle. aussi gis à chaise mhm. ni. handicapé. Eh, mhm. mais jouer de telle manière que beaucoup qui il est réellement handicapé. mais en fait il mhm. ay exercice parce que quand le travail du corps. Euh, comédien du mot commun d'accord c'est vrai le travail du corps ben, l'acteur n'a pas besoin de tout ça. Mhm. Il a tout juste besoin de son intelligence et conduire ce qu'on appelle la génétique. D'accord. La génétique, moi, il me donne expliquer les mm -hmm. sentiments, les ci euh, émotion bi. Mhm. sentiment bi boo ko mhm. et émotion bi dina qui c'est ko comme Robert <laughs> Robert. ni may xolé dafa dugg ci sama wax fi nek ni nii. Uh-huh. tellement qu'il est captivé quoi. donc euh, kooku acteur bi. Mm-hmm. loolu ñu soxla ci mom donc euh, defe na ni mi ngi ci góorgóorlu. légui fan fan nga toll justement ci ci sa carrière parce que def nga théâtre ya ngi mm-hmm. def cinéma fan nga ci tollu actuellement ñaata production la ñu mën wax nek mm-hmm. yow euh, joué nga ci. waaw euh, sama carrière nag maa ngi continuer rek di liggéey ak ARCOTS mhm. ci cinéma yi téléfilm yi et mhm. puis am na ci yoo xam ne ay euh, maison de production la yu ñuy waaj a préparer ñu ngi ci bëgg liggéey tamit euh, mu ngi noonu daal. Mhm. ci ci loolu daal lañ toll pour l'instant nii. ñaata euh, téléfilm fi mu nekk nii yi aussi jot naa def parce que def naa ci ay Manoumbé joué mhm. naa ak tonton Pape Faye. Euh, ak ay euh, Pikini tamit maa ngi liggéey ak ñoom yoo xamante ne mu ngi war a génn tamit. ak euh, mën nañ def ne que jàpp ne que war na mat ay 5 ou. d' accord est ce que da ngeen di jouer juste en wolof ou da ngeen di jouer ci yeneen langue si ci yeneen langue yi. des mhm. fois français des mhm. fois ñu def ko aussi ci wolof bi. très bien mhm. euh, oui euh, Elisabeth alors alors c' vrai que ni ma ko waxee au début quatrième art bi septième art bi. dafa dañuy surtout sensibiliser les populations. et je pense que chaque fois bu ñu amee des messages bu ñu ko jaaralee ci ñoom dafay dafay gën a large diffusion bi di gën a large. Mhm. exactement man fi ma bëggoon ñëw ci moom déjà dama koy féliciter mais nu mu ko waxee sànq en fait l'art li ñoom li ñuy def euh, c'est toute une science sànq tonton Lamine mi ngi ciy dellu si nan dañuy dañuy dem ba transformer nit ki ba mu am double personnage ma bëggoon ko laaj ci moom nan déjà balaa may ñëw ci parce que am naa benn question par rapport ak éducation en lien avec l'éducation mhm. nan lay def ba ba ba ba double personnalité bi nan la koy dundee en tant que une jeune femme aussi belle. Mhm. ci euh, milieu mhm. comment comment elle le vit tamit. oui. Mm. <laughs> Ah, très bonne question. Oui, oui. <laughs> Uh-huh. Bon, d'abord, je suis Je suis yomb na yombul. Mhm. ça dépend ci éducation bi nga recevoir sa kër. absolument su fekkee dañ la yar nga am éducation de base foo dem moom ngay yóbbu. Mhm. Mhm. am na ñuy dugg ci métier bi nag dañu indaale seen jikko. mais métier art saltewul. parce que mënoo ni da nga yeete ba pare te li nga yeete nga ne lii baaxul mënul nekk. donc nit ki ni nga mel rek noonu ngay indi fi ngay liggéey. am na fépp am na ci société yëpp. dëgg la loolu la. soo ñëwee nag def lu baax tax la jóg. da ngay def lu baax dem ñibbi. dëgg la. soo ñëwee nag safaan indi la. Mhm. da ngay mbubboon ni damay dem liggéey mais demuloo liggéey. donc comme ni nga wax rek. Mhm. yomb na yombul des fois da ngay gis ay ñu lay jéem a kii. Mhm. mais yow yaay xam yow jigéen ki yaay xam li la tax a jóg. ak euh, li nga bàyyi sa ginnaaw. ak ki la yebal.

Euh, man maa ngi xalaat sa yaay. Mhm. ma di ko gërëm di ko sant parce que xam naa ni xel ni yar na na mu la waree yar te euh, ku am solo la woon ci biiru mhm. théâtre bi yaakaar naa ni Sénégal war a ko mën a fàtte mhm. kon tànk yooyu mu jëloon ngir yee nit ñi parce que li ñuy def Euh, ki la rek dafa mel ni information boo ci deful dara. Mhm. du doon information. Mhm. Mhm. comme métier bi mais médium de communication la. yàlla na nga topp sa tànku yaay. yooyu nga xam ne nii yàqu te. te yaa ngi koy defar bu baax a baax. fi mu nekk sa yéene lan la. waa sama yéene euh, rëy na ba mënuma wax lépp. mais euh, tey mooy art bi gën a avancé artistes yi gis ci seen bopp bu baax bien que ñu ngi ciy gis seen bopp bu baax sax mhm. mais ñu gën ci gis seen bopp bu baax a baax a baax parce que euh, artiste bi rek moo mën a nekk docteur tey nekk président nekk sage femme nekk jël personnage bu nekk tey joué ko donc kooku mérité na tey ñu mhm. teg ko foo xamante ne mhm. moom mooy wàcc waayam très bien loolu daal mooy sama yéene et à chaque fois nag dañuy wax nag vraiment yéen a ñuy bégal bu baax a baax euh, ba noppi nag euh, di ñu am à réfléchir parce que am na série yoo xamante ne bi boo ko seetaanee je pense que commencé di yeddal sa bopatu en tout cas mhm. euh, ça a été un plaisir mbokk de recevoir l'actrice comédienne euh, Adja Faye di ko gërëm di ko sante di la mhm. ñaanal une euh, très bonne continuation merci beaucoup tonton Lamine mbokk yeeg xarit yi ñu ñëw nag émission bi ak vue sur la toile waxal alhamdulilah li ma doon lijjanti jot naa ci waaye nag damaa nekk sama buntu kër cadeau Saint-Valentin bi maa la ko yóbbante léegi bu soob yalla waaye nijaay yow booba léegi maay toog di la xaar sama moroom yëpp jël nañ seen cadeau Saint-Valentin yow nga nekk ci àll boobu ba léegi di taxawaalu te yow sax yaa ngi nii préparé nga ko ak sa rouge noir bi ah nijaay nar nga ko tey di. ah loolu yaa ko tal loolu yëfi nasaraan la ay Saint-Valentin ak yooyu man amu jot googu xaar mu dugg tuwaal bi loolu yëfi nasaraan la ay Saint-Valentin loolu amu jotam rouge noir bi moom daa tombe rek waaye <laughs> to taxu koo jóg. waaye nijaay lan mooy yëfu nasaraan yu bëggante dafa am tubaab ak wolof dimbale ma man. nijaay kon lii la def ci téléphone bi wax mu ne daa def Sofia xaaral maa ko gën a bandi fopp gis nga téléphone bi laa jël modifié laay dugg turu Sofia laa ciy bàyyi def ci sama numéro ba ko ba mu génn ba xam rek ba maag sama nijaay rek nii rek la ñuy def

ah dama ci gis daal benn réalité boo xam ne. Mhm. Euh, société sénégalaise da koy dund. Mhm. te gis naa ci yeete. dëgg la je pense que euh, ñun góor yi. Mhm. war nañu xoolaat bu baax suñu doxalin ci suñu. jabar yi tout à fait tout à fait. muy muy muy vraiment un appel boo xam ne daal. Uh-huh gis naa ko tey tey ah. maa ngi appelé góor yëpp tam ñu ngi xool ci war am ci xool non man damay tàcc damay tàcc monsieur Badji non dama lay tàcc parce que li nga wax moom dafa nekk téere complètement en tout cas kontaanoon ñu mbokk yi di recevoir monsieur Robert Badji nekk chargé de programme bu ANCEFA sa dernier message sama dernier message message euh, ci ci moo mooy xanaa que euh, euh, damay delluwaat ci éducation inclusive bi ma fi indi rek xanaa moom lay kiyaat pour wax ni société itam insister sur le fait que dañu war a bàyyi di xool ñi am problème laago yooyu yi am problème d'une certaine façon mhm. parce que loolu mooy faciliter seen intégration tam ci kii bi te ma dellu si ci li ma wax ñooñu plus ñu ñuy intégré moins mu nek charge pour ñom ak pour keneen. très bien alors lolu nak mo don message bu nga xamante bi nek na message bu am solo waaye ñu ngi gëreum di sante bu baax a euh Adja fay mhm. euh, ñi ngi lay souhaiter encore une fois. Mhm. une bonne continuation ci ar bi nga né merci beaucoup merci beaucoup ça a été un plaisir de vous recevoir. <laughs> ma ngi sante di bu baax baax Elisabeth. Mhm. Elisabeth euh, éducation inclusive bi dinañ ci gëna taxaw. en tout cas àndandoog gouvernement bi li ñuy faral di wax ñoo def lépp waaye nañoo àndandoo ñun ñëpp xam ne ñoom ñëpp suñu ay doom lañ te l'éducation pour tous et c'est normal c'est un droit exactement merci à toi aussi. Mhm. di lu temps comme ni nga ko waxee sànq yi nga xamantene état bi mi ngi koy def. Mhm. japp éducation c'est une responsabilité partagée. ñun ñëpp suñ ci jappé tout à fait bu max état bi. Mhm. fi ñi bëgg yegg dinañ ci yegg ak euh, suñu doom yi. merci beaucoup à la semaine prochaine tonton Lamine. ma ngi lay euh, gërëm di la sant bu baax ni ba sa baax. saa su ne rek la ñuy ci di yow. Euh, ñi ngi lay ñaanal encore une fois gudd fan ak et puis encore une fois bonne fête de Saint-Valentin tonton Lamine yow mi ko jaarale démb ba ko <laughs> maman attention. <laughs> mu maman attention. moo tax man aussi tamit dañ nan ma attention <laughs> en tout merci beaucoup mooy am ngërëm. Mhm. ab aussi tamit boo xam ni dama la koy mhm. parce que liñ xam nga li gën ci nit. Mhm. mu nga am esprit culturel boo xam ne fu ñu nga def fa buy tourner rek. waaw mu tàkk <laughs> macha allah. te vraiment yaa ngi koy doxal na mu waree. merci tonton parce que ñëpp dañ la fi fekk ak ay thèmes yoo xam ne ñu yëpp a wuute. Mm-hmm. mais.

634 44 11 di de jox rendez-vous pour émission tam tam bonne suite des programmes sur la RTS2 au revoir.